5 avril 2024, chers auditeurs du studio de Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission de Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Fanta Chamsui à mes côtés, Salamatu Kadiri pour la présentation. À la technique, nous avons Mustapha Ayuba et Adam Dawaki à l'édition. Bonjour Salamatu, comment tu vas Je vais bien Fanta et toi Ça va, alhamdulillah. Super, alors qu'avons au menu ce matin Aujourd'hui, Salamoto, dans cette émission, nous allons offrir à nos auditeurs un programme bien garni, composé d'un flash d'informations, un reportage en région, du loti avec les femmes du studio Kalangu, de la culture linguistique, sans oublier la revue de la presse, présentée chaque vendredi. Et nous avons prévu également nos quatre nouvelles rubriques spéciales Ramadan, notamment rubrique conseil du nutritionniste, la rubrique rose, les conseils religieux pour les jeûneurs et enfin la recette culinaire. Et dans la partie entretien du jour, nous irons à la rencontre de Ala Ibro Saratou, promotrice de la marque nigérienne de maroquinerie Zreska. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Salamatou. Bonjour euh, Fanta. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Kiani, a signé hier jeudi 4 avril une ordonnance portant dissolution des conseils municipaux, des conseils de ville et des conseils régionaux les communes rurales, les communes urbaines, les villes et les arrondissements communaux seront désormais administrés par des administrateurs délégués, indique le texte de l'ordonnance. Le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Kiani, a nommé ainsi hier 105 administrateurs délégués à la tête des communes et conseils communaux du pays. Le Niger compte ainsi 36 départements, 266 communes, dont 52 urbaines et 213 rurales et 4 conseils et de villes. Le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Oumar Ibrahim Sidi, représentant le ministre, s'est entretenu hier avec la chargée d'affaires par intérim de l'Organisation internationale pour, la, pour les migrations, Nicoletta Giordano. L'entretien a porté sur les vastes opérations de rapatriement et de refoulement des migrants sub subsaharien d'Algérie. À l'issue des échanges, l'OIM est invité à mettre en place des dispositifs lui permettant d'identifier depuis l'Algérie les nationalités réelles des migrants afin que ces derniers soient acheminés directement dans leur pays d'origine. Le secrétaire général du ministère de la Santé et publique, Aboubakar Bobawa, a procédé hier à Maradi au lancement officiel de distribution massive et gratuite des moustiquaires à longue durée d'action. Le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a bénéficié du projet Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Un peu plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action avec un coût estimé à plus de 25 milliards de francs CFA. L'objectif de cette campagne est d'assurer au moins à 80% de la population de dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 5 avril 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt dans la rubrique Entretien du jour, nous allons suivre Ibro tout promotrice de la marque Zraska. Et dans cette première partie, elle parle de ses débuts, des prix qu'elle a gagnés grâce à cette marque qui a vu le jour en 2020. Elle est au micro de Asman donc, euh, je suis Ala Ibro Saratou. Je suis la promotrice de la marque ou bien la CEO Zraska. Zraska est une euh, marque nigérienne qui est spécialisée dans la maroquinerie. Nous faisons notamment des, euh, sacs à main, chaussures hommes-femmes, sacs d'ordinateur, sacs de voyage et divers d'autres accessoires. C'est l'association du fil recyclé tricoté avec du cuir premium et le tout fabriqué au Niger. Avec quelle matière travaillez-vous essentiellement et d'où est-ce que vous la procurez Nous savons déjà tous que le Niger est un grand producteur du cuir, donc euh, nous trouvons notre matière première sur place même. Pour ce qui est du fil, c'est du fil qui est tricoté par des femmes. Cette unité, elle est à Tawa, mais l'atelier est même ici à Niamey. Euh, on devrait vous dire ici, euh, on achète le cure à l'état brut. Nous, on a un atelier de confection de nos accessoires, mais la première étape qui est le tannage, on n'a pas la force de le faire. Donc on est obligé de, de, de, nous associer, de collaborer avec ce que l'État a mis en place pour le faire. Donc nous l'achetons à l'état brut. Il y, a, il y a plusieurs catégories. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, ceux qui sont dans le domaine peuvent comprendre. Donc on va, on définit nos couleurs en fonction des designs qu'on va faire. On définit nos couleurs et on demande à ceux qui le travaillent de le faire. Donc cette première étape est faite dans les tanneries qui sont ici localement et nous, nous l'amenons ici pour faire euh, la production des sacs. Comment avez-vous eu l'idée de mettre en place cette activité Je dirais Zraska est une conséquence positive de la COVID parce que je me suis rendu compte, c'est une très longue histoire, mais très brièvement, je me suis rendu compte que ma mère s'est tricotée ce, fil recyclé pendant la période Covid parce qu'elle est une femme très occupée par son boulot. Et c'est là que j'ai eu l'idée de l'associer automatiquement avec le cure pour qu'on puisse avoir des produits modernes. Qui sont vos clients Avez-vous une cible particulière euh, D'une manière générale, la classe moyenne. Donc, euh, nous savons tous qu'aujourd'hui, un sac Zraska, quand tu le veux, tu peux l'avoir parce que quand on a des mariages, on claque des 100 000, 150 000 pour acheter un bazar. Ça dépend juste de ta priorité. Donc la classe moyenne, les touristes, euh, la diaspora nigérienne et tout, et tout le monde, tout le monde, hein? tout le monde sauf les enfants. Avez-vous déjà eu des retours de vos clients euh, Un retour plus ou moins satisfaisant. Euh, par rapport au design, par rapport à l'association des, couleurs, par rapport à la, à la force du sac. Donc, euh, je, dirais que je suis très satisfaite du retour des clients, euh, même si je n'aime pas quand ils rentrent dans des comparaisons avec d'autres marques, mais je suis plus ou moins satisfaite par mes clients et leur retour. Peut-on avoir une notion des prix de vos sacs Oui, pour ce qui est du sac, qui est notre produit phare, si je peux le dire, euh, nous avons un prix minimum de 35 000 et un prix maximum de 70 000. Avez-vous déjà gagné des prix à travers votre marque Oui, bien sûr, bien sûr, parce que euh, peut-être vous allez le voir plus tard. Moi, j'ai été Miss Intellect euh, lauréate pays en 2020, lauréate inter, international euh, internationale en 2021. J'ai eu la chance de participer à des concours hors du pays, euh, à l'international. Et tout ça, c'est grâce à Zraska. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'être une alumnie de Yali Dakar aussi, et c'est grâce à Zraska. Donc il y a beaucoup d'opportunités, pas seulement dans le domaine de l'artisanat ou de la maroquinerie, mais au, du moment où on, est focus sur un objectif, on veut l'atteindre, il y a toujours quelque part des débouchés qui pourront nous servir à quelque chose dans l'avenir. Quelles sont les opportunités que vous offrez aux jeunes à travers votre marque euh, Pour le moment, formation, euh, je pense que ce que je peux dire par rapport à ça, pas officiellement. Mais pour ce qui est du tricotage, par exemple, moi-même, je sais tricoter. Et toutes celles, moi, je fais, a priori, ce sont les femmes qui tricotent. Je mets un accent sur ça. Il faut que ce soit des femmes parce que moi-même, je vais être un modèle pour ces femmes qui sont en train de tricoter. Donc, toutes celles qui, qui veulent apprendre, moi, je suis là je suis disponible pour lui apprendre, mais après, elle est là pour travailler pour nous et c'est qu'elle tricote, on rachète et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés euh, Je pense que euh, le défi majeur dans cette activité euh, n'est rien d'autre que le défi sécuritaire en premier lieu. Donc, je ne sais pas, en second lieu, de plus, de, de plus en moins, il y a la rareté des touristes et tout. la seconde chose, je pense que c'est la petite crise qu'on a eu à faire face euh, ces derniers mois avec les problèmes qu'on a eu avec les banques pour avoir de l'argent. Les gens cherchaient plutôt à s'approvisionner euh, en termes de nourriture que de penser à des accessoires de mode et surtout à ce prix. Mais je pense que maintenant ça va. De plus en plus, on voit une amélioration, une amélioration et on pense que ça va aller. Avant de continuer cet entretien, marquons une pause pour les conseils ramadan. Tout musulman pratiquant qui observe le jeûne du mois de ramadan doit, prélever, la zakat el-fitr pour avoir plus de bienfaits dans l'accomplissement de son jeûne. Qui doit prélever la zakat el-fitr et à qui doit-on la donner Oustaz Haladou Yahaya répond à ces questions au micro de Hawa Ousmane. La zakat el-fitr ou au monde euh, de la rupture c'est cette aumône obligatoire instituée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa qui doit être euh, prélevée par euh, personne, qu'elle soit jeuneuse ou pas. Un père de famille peut prélever pour lui et pour toutes les personnes vivant sur le même territoire que lui, en raison de quatre modes de Nabi personne sur les produits alimentaires les consommés. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi on prélevait dans l'orge, dans du fromage, du raisin, etc. Et cette aumône doit être remise aux huit catégories de personnes qui peuvent recevoir la zakat, parmi lesquelles les faibles et les nécessités. C'était les Conseil ramadan avec Oustaz Haladou Yahya. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien avec Ibro Allah Saratou, entrepreneur nigérienne, promotrice d'une marque de maroquinerie. Et cette fois-ci, elle parle des difficultés qu'elle rencontre et donne aussi quelques conseils aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est toujours au micro de Asman Aboubakar. Comment gérez-vous la concurrence avec les autres produits importés disponibles sur le marché euh, je pense que c'est surtout par rapport à la qualité. Euh, c'est un état d'esprit. C'est beaucoup plus des gens qui veulent consommer du local. Sinon, même à ce prix, nous avons des sacs que vous pouvez trouver ailleurs. Mais on essaie d'abord euh, de suivre la tendance mondiale pour faire des créations, pour faire des modèles. Le plus souvent, on s'inspire de la tendance mondiale. Pas forcément reproduire la même chose, mais on s'inspire de la tendance mondiale et on essaie de trouver un truc adapté à notre contexte et avec ce que la, notre matière qui est le cuir. Euh, je pense que la concurrence, elle a sa place à part et on a notre place à part. Avez-vous déjà bénéficié du soutien de la famille ou même au-delà des autorités euh, Je pense, dans un, je, je, vais parler dans un premier temps de ma famille. Euh, dans un premier temps, c'était beaucoup plus, la famille ne croyait pas un peu, on voulait me laisser m'amuser et tout. Mais maintenant, Dieu merci, j'ai le soutien de toute ma famille parce que je pense que, euh, je ne dirais pas la majorité, mais la plupart, pour voyager, pour des cérémonies, ils passent ici prendre leur sac avant d'aller à leur cérémonie ou de voyager. Euh, pour ce qui est du soutien au plus haut niveau, euh, ok, parfois quand on arrive à rencontrer, il y a ceux qui encouragent, ceux qui encouragent, mais l'achat, hmm, pas trop. Est-ce que vous avez un modèle, un entrepreneur qui vous inspire particulièrement Il y a une jeune fille qui est, euh, qui est en Côte d'Ivoire au nom de Aliwax, qui est dans le domaine de, de la maroquinerie aussi, si je peux le dire. C'est une fille qui m'inspire beaucoup. Elle m'inspire beaucoup. Est-ce que vous avez des partenaires euh, Je pense que ça se passe très bien. Euh, pour ceux qui me suivent, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Europe pour une petite tournée par rapport à une foire mondiale du cœur appelée l'INAPOL. Euh, on a des petits, des petits partenariats comme ça avec des principalement l'ambassade d'Italie qui ne cesse de nous booster par rapport à tout ce qu'on fait, que je profite pour saluer déjà. Euh, et je pense que ça se passe bien. Ça, on, on sent qu'il y a des ouvertures qui sont là et les portes sont en train de s'ouvrir. C'est prometteur. Quel appel avez-vous à lancer aux jeunes Nigériens euh, je pense que euh, je vais dépasser le stade de dire aux jeunes d'avoir des idées ou bien d'aller entreprendre. Ils en ont assez entendu parler de ça. Euh, ce que je peux dire aux jeunes par rapport à mon expérience et par rapport à ce que les jeunes me demandent le plus souvent, je vais juste leur demander de stay focus. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu commences ce business, après, tu vois que non, ça ne marche pas, ou bien tu penses que tu n'as pas ce soi-disant réseau, tu changes de business pour aller dans un autre business. Non, le réseau, c'est toi qui le crée et c'est toi qui le maintiens. En fait, j'ai beaucoup de retours. Les gens me disent, non, tu es bien dans ton domaine parce que tu as des connaissances, tu as le réseau. Non, le réseau se crée, ma chère. Le réseau se crée, mon frère. Donc, moi, ce que je vais leur donner comme conseil à cette jeunesse, stay focus sur votre objectif, sur votre business que vous allez décider de faire et vous allez créer votre réseau vous-même et vous allez le maintenir. Je ne sais pas, on est à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ou des points qu'on n'a pas. Peut-être je c'est juste inviter euh, les les Nigériens à consommer du local parce que à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle est loin, c'est parce qu'ils priorisent la consommation du local. Tout ce, qui, tout ce qui est fabriqué chez eux par les jeunes est consommé par eux-mêmes, que ce soit des personnalités ou d'autres. Ils incitent même d'autres à consommer du local. Mais j'ai remarqué le plus souvent ici au Niger, on attend que quelqu'un te fasse grandir avant qu'on ne commence à acheter tes produits ou dire que c'est une Nigérienne ou un Nigérien, on est fier. Donc c'est une mentalité, pas forcément les produits de l'artisanat, surtout les plans. J'encourage vraiment les jeunes Nigériens à consommer du local. Autrefois, je sais qu'il y avait des gens qui voulaient consommer du local, mais les produits n'étaient pas à la hauteur. Mais je pense que les jeunes entrepreneurs se sont mis vraiment dans le travail et ce qu'on arrive à offrir aujourd'hui, il est plus ou moins acceptable ou bien consommable. Donc faites un effort. Personne ne sera là pour nous faire grandir. On est là pour nous faire grandir nous-mêmes et c'est ensemble qu'on peut aller loin. Merci. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique Entretien du jour avec Ibro Alassarantou, promotrice de la marque Zraska. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre la revue de la presse présentée par Nafissa Adam Sirfou. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta. Bonjour Nafissa. Bonjour Salamatou. Nafissa, refoulement des Nigériens, les autorités protestent auprès de l'Algérie contre la méthode utilisée. Titre à la une, le journal gouvernemental, gouvernemental tantôt, le Sahel. En effet, Salamatou, le mercredi 3 avril, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur du Niger, Omar Ibrahim Sidi, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie au Niger, Bikeda Mehdi, pour porter les mots de protestation du Niger. Il s'agit des vastes opérations de rafles policières menées ces jours dans certains quartiers de la ville de Tamaraset où vivent les ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. Omar Ibrahim a demandé aux diplomates algériens, je cite, d'intercéder auprès des autorités compétente de son pays afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le gouvernement algérien puissent s'effectuer dans le respect de la dignité, de l'intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens. Fin de citation. Toujours dans le Sahel, hier après-midi, Oumar Ibrahim Sidi a également reçu le représentant résident de l'OIM pour attirer son attention sur cette situation qui, selon lui, en même temps qu'elle constitue une charge supplémentaire de gestion sécuritaire et humanitaire pour les autorités nigériennes, elle porte aussi atteinte à la dignité des migrants eux-mêmes. Il a enfin invité l'OIM à mettre en place des dispositifs lui permettant d'identifier depuis l'Algérie les nationalités réelles des migrants afin que ces derniers soient acheminés directement de leur pays d'origine. Et au Niger, plus de 9,5 milliards de francs CFA mobilisés au profit du Fonds de solidarité de sa création au 2 avril 2024, souligne Niger Inter. Dans un point de presse animé le jeudi 4 avril 2024, le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie d'abord a tenu à rendre compte aux citoyens nigériens le niveau des contributions reçues, mais faire aussi le point des affectations en nature, en numéraire, informé par rapport aux actions en cours et enfin rappeler les canaux de contribution. Il a annoncé avoir reçu plus de 9 milliards de francs CFA en chèques et en nature depuis sa création du 2 avril 2024. S'agissant de la situation de ces différentes catégories des ressources, le comité de gestion a rappelé les différentes ressources dont les prélèvements sur les hydrocarbures, 10% des redevances ARCEP, 10% des redevances ARC et bien d'autres. Et à ces ressources s'ajoutent d'autres catégories ayant mis à la disposition du fonds des contributions en nature du 18 février au 2 avril 2024. L'actualité internationale, c'est l'investiture de Bassirou Diomaye Faye qui prend les rênes du Sénégal en tant que cinquième président, nous apprend l'actu Niger. Et oui, la cérémonie d'investiture du tout nouveau président sénégalais a eu lieu le mardi 2 avril. Bassirou Faye, âgé de 44 ans, marquera les annales en devenant le plus jeune président élu du Sénégal, souligne Actu Niger. Il a officiellement prêté serment en tant que cinquième président du pays devant les membres du Conseil constitutionnel son accession au pouvoir représente un tournant majeur dans l'histoire politique du Sénégal, tandis qu'il s'engage résolument à prendre les rênes du leadership pour guider le pays vers un avenir de progrès et de prospérité pour un mandat de cinq ans. Quelques heures seulement après l'investiture présidentielle, le nouveau président de la République du Sénégal a nommé Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, parti du sous au poste du Premier ministre. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafissa. Chers auditeurs, poursuivons avec les conseils diététiques. Le mois de Ramadan rime avec forte consommation de différents jus, tantôt naturels ou industriels. Et la consommation de jus déshydratés comme joli jus qui contient des colorants ou du sucre synthétique peut avoir des conséquences sur la santé des personnes selon les spécialistes en santé. Abdelrazak Bello, nutritionniste, donne plus de détails au micro de Hassan Nourou Abdraman le jeûneur a besoin quand même euh, d'éléments nutritifs, de vitamines, euh, de sels minéraux. Et malheureusement, en consommant ces jus déshydratés là, le jeûneur ne va pas bénéficier de ces vitamines et de sels minéraux. En réalité, il n'y a pas grand chose dans ces tri là. Il n'y a que des colorants pour avoir la couleur orange, rouge ou la couleur même des jus naturels. Il y a des arômes, notamment arômes fraises et tout ce que vous connaissez. Il ne faut pas simplement suivre la quantité. Le bisap plus de 50 francs avec peut-être un demi est nettement plus bénéfique que le jus Le temps va acheter et qui va nous donner 2 litres. Et dans le même ordre, on a des personnes qui ont tendance à utiliser des jus de courant qu'on appelle communément le sucre bandit, un additif alimentaire qui a des propriétés sucrantes, mais il n'y a pas grand-chose. La conséquence, c'est que lorsqu'il est consommé en excès, peut entraîner des troubles, des nocifs pour la santé. C'était les conseils diététiques avec le nutritionniste Abdelrazak Bello. Chers auditeurs, on vous revient juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Nous sommes vendredi et nous parlons entrepreneuriat. Bien sûr, Fanta, la rubrique entrepreneuriat nous amène à la découverte d'un groupement féminin de Niamey qui fait la fierté de beaucoup de femmes à travers la vente des médicaments contre les infections et aussi des conseils pour la bonne marche du foyer conjugal. Suivant Madame Biba Diallo, membre du groupement, au micro de Hawa Ousmane. ginai kai gonera ginai kai mata ginai infection safaro zamir gondo boutique karano woybore ga kayir gondo group yan ne. sai conseil jugo kan woybore ga kayir ga woybore bongay feri irga ti se kwali sa irga ti se hari ya to ni gindi se biba zanga zawat fokin no aran sintin aran wani goyo kan ga ci woybore bongay feri da gina yanere yawan wallahi ir er goyo gai parce que er irma makanga goyo te gumbo mutum kunna goga ce. so ago to 20 kan yi go goyo wote to zangar gini ga gaki se kaina zan aran gine ira zamai di masha Allah gine gaba na gini ga kiyese afoyin ira to yi rawar gine kan wo yi gaba yi gine ira ara kan irgo goyo bore fahaman dirgo goyo bore bongo fenga no gati ir infection safaro kirgo ga nere to zanga a gato giri marge goyo wara. wallahi ai ngana kin se ba sintina irgo to de giri waran ka ya kine wani giri wakin gu ya kine kirgo goyo wote da ke sai zanga silman kai ne na goyora masha Allah ne kan bugwai zamir safaro akwai nan kan irwo irce mana a man da maniya a sin kwara kan rano safaro si sin ma ne ha ne don aigo Kwara kan rano ir safaro kwai kwara kan rano ir maye kan to zanga sun aran wani gine wa kan nune ikwai nan gubobo be fai gana ranga ka gi kebe wala mu aranga wanda nan ka ranga gi ka gi kebe ga ner borese irgon da butik dan ga wani butik safarai mo irma manogi prepare irin manogon da hikima din kan agi prepare minere dama bokun da haika irko ne dogonan da nise bokun da haika rano irko gani me ngwaro fe hikima wo irin manogon da hikima ngano ne fe ngano ne dondonan din da irmo masha Allah irko ko sabun da ne yango kan ara ta irko walbarka daga to sun aran aran mamono naran dondonan di aran naran zan kai mu dondonan di kan gina hayam ko digina in mirzan kai dondonan di to ne in dunya goy kulu gondin ga kan dai. hina ga kiri se zanga sandai fo dimno aran gogo di goyora wallahi alhamdulillah ir sigidi sandai kur goyora wara. kuwa ku kan bor tu bor mini alhamdulillah to zanga kan giti ginayen zama gine no karan gogo ko aran gidan kolbiyan aran gidan kopi ra no dun do hare mutuno aran giti komandai do hare n'o eh aran sigidu difikunte aran sigdu masala an kan gati ginai imi kandai aram uh, goyde sigdu masala ne da ir gondi illi fere no ku kara bora du bora ci senini ke filana yi ba gine ya shine irin gine margu no no livro su da an envoi no mo ir gondi bisedo bora go no san bir gondi bisedo no no san ba masha Allah wisi no do mo go so no ni ne ya ni way borno no go goyo wote zanga ni gonda hayo da yan kan ni gidan irkilla wai burfo yin gakal hal kason yan inge wo iman faham wat kulu go banda banda hakan gati imudu inge wani kan bako kibo te ba ai wai borai fahamin da haihu kuna an duniya wora dole bor mu ce cinga bo sai ni musu kwante alboraga haikur kurka ni dal boraga te ni sai hun kun irko no su fargan da boro me dinin gogo goy ni gogini kambu goyote guni daga te turare irga te decoration wat foyan irma te promotion bu bogoi bore kan ala tumin yangai da miskinin yangai a mi kyam zama hun kuno borg bano ni mu ceci ni bonse hun kun na ni gote banin turara hau zongu zongu zongu zongu ni na fara kenan ai gine wai bore kurkan gono kan gogoro ga ce kwali gine albor mangino im kangi bonga bo kurmu ko ga min waro cece zama hunkuna alboro mutku kanoni gona si aino aino hanfo fargan da ni hunkun dingo gani kan mu goyote ba man n'o fo gine no ni ga kani mu dake hankana n'o fo gine no ni tani ma yeti nino roro Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez la réécouter en intégralité sur notre site web www.studiocalango.org. Fantastique, l'heure de faire un tour en région, n'est-ce pas Bien sûr, Salamantou, et c'est à Agadez que nous nous rendons ce matin. À quelques jours de la fête de Ramadan, les différents marchés de volailles de cette commune sont remplis de pentades. Malgré leur abondance, selon les accueilleurs les prix ne sont pas accessibles. Le reportage de Moussa Maman. Nous sommes au marché principal de volailles d'Agadez. Des pentades ramenées de la région des Indes et du Nigeria sont visibles partout. On peut trouver des grandes et petites selon vos moyens, explique Ibrahim Akafas, un vendeur de volailles. dubu goma sha biyu a ana saidawa farashi fa yau ya hau na sabi yau akwai na jikka hudu akwai na jikka biyar akwai na uku da rabi gashi akwai na uku da rabi akwai na jikka uku akwai na dari biyar hawa hawa ne zabi akwai na jikka biyar akwai na jikka hudu akwai na uku da rabi a ah, mutane suna zuwa babu lai ana kakkama gaskiya kuma lahiya launi muka sai da su ba masala komi Allah yan gari kuma suna zuwa suna sayi kwarai kuma wasu ba su dauka sai jajibir su zo su dauka ana ba mu kudi muna ajewa certains acheteurs qui sillonnent les marché pour payer les pintades de la fête ont trouvé les prix en hausse par rapport à la semaine dernière. Na zo sayan zabini. ne. nan kuma nake ga kudin su ya habura yadda muka saba sayan su a kwanan baya. Eh mana nan da yan kwanaki biyu uku da suka wuce muna sayan su suka uku da hamsin da rabi. Amma yau gashi na zo ya ce mai saboda sallah wai sai biyar da rabi. Gaskiya garan jin sai kaji daidai karhi na a wannan lokacin ya kamata su ma su gane. Eh ni ma sayan Akwai su sai dai wajen farashin ne muke gani gaskiya ya hau sosai ya yi tsada saboda allah akwai su kuma ayi wanda yake da kwana biyu yana jika uku da rabi yanzu kai biyar da hamsin ai ka gani la montée de la devise du Nigeria les nera et le mauvais état de la route sont les principales raisons de la hausse de prix de ces pintades selon les transporteurs Merci Moussa pour ces reportages. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent dans la capitale de l'Aïr. Et à présent, place au sport avec euh, Grouza Hasumi Karimou. Bonjour Grouza. Ah, bonjour Fanta, bonjour Sali. Bonjour Grouza. Très bien. Alors Grouza, la FIFA a publié son nouveau classement des équipes euh, nationales, ceci quelques jours après les journée FIFA du mois de mars. Oui, Fanta, au tableau africain, aucune grande surprise à signaler. Le Maroc reste toujours leader en Afrique au plan international, le Royaume passe de 12e à la 13e place. Les Lions de la Teranga du Sénégal conservent la 17e place au plan international et deuxième en Afrique, la Côte d'Ivoire, championne en titre, a gagné une place sur ce nouveau tableau de la FIFA. Les éléphants passent de la 39e à la 38e place au plan international. Au tableau africain, la Côte d'Ivoire reste toujours à la 5e place. Le Nigeria, 30e au plan international, 3e en Afrique. Le Burkina Faso, 11e. Et voilà pour le top de 20 africains du classement FIFA d'avril 2024. Mais il faut noter que le Bénin, le Niger ne font pas partie du top 20 compte tenu de plusieurs paramètres. Nous y reviendrons d'ailleurs euh, sur le classement du Niger un peu plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Grouza, la Fédération internationale de football a dévoilé les arbitres retenus pour officier aux Jeux olympiques côté football à Paris. Oui, c'est la commission des arbitres de la FIFA a désigné 89 représentants du corps arbitral, 21 arbitres centraux, 42 arbitres assistants, 20 arbitres vidéo et 6, arbitres de réserve de 45 nationalités différentes en vue d'officier lors du tournoi de foot de Paris 2024, a indiqué mercredi la Fédération internationale de football dans un communiqué. Et les dates de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 au Maroc ne sont pas encore connues. Oui, Fanta, la CAF euh, doit en effet composer euh, avec euh, un calendrier surchargé qui réduit les créneaux. Les discussions entre la CAF, la FIFA et la Fédération royale marocaine de foot se poursuivent afin de trouver la dette idoine qui sera dévoilée dans les prochaines semaine. Voilà pour le sport. À Merci beaucoup, Gourouza, pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous de découvrir la star du jour. Le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte d'une jeune étudiante entrepreneur de Niamey du nom de Farida Idrissa Aboubakar, promotrice de Farida Collection. Elle nous parle de son métier au micro de Mariam Adey. Âgée de 28 ans, Farida Idris Aboubakar est plus connue sous le nom de la marquise. Grâce à son passage à Sira, les podiums en tant que mannequin, elle est commerciale et communicatrice de formation, mais par passion pour la mode, elle décide de se lancer dans la création et le stylisme. Aujourd'hui, elle essaie à travers son habillement d'imposer sa marque aux jeunes filles nigériennes, sa marque Farida Collection, un style de couture chic et dessin. Elle nous parle de son travail. C'est un métier dans lequel j'ai évolué et que j'aime bien. Donc j'ai décidé de prendre mon envol et d'être à mon propre compte. Disons que j'ai été euh, dans le passé mannequin et j'ai décidé de, de lancer ma propre marque, d'où Farida Collection. Farida Collection, c'est de la mode et de la mode même, c'est de la mode modeste. Donc ce sont des tenues confectionnés euh, et vendus en ligne. Dans la vie, le début de chaque chose n'est pas facile. Farida nous parle des difficultés auxquelles elle fait face dans son métier, surtout dans le domaine de vente en ligne. Et les difficultés, ça va beaucoup plus dans le sens de la vente en ligne. La vente en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas encore adopté par notre communauté. Donc, jusque-là encore, on essaye de s'imposer. C'est un peu difficile, mais ça va de mieux en mieux. Nadia Sita, l'amie intime de Farida, dit être fière du travail qu'a fait son amie. Moi, je suis la, mieux placée pour vous parler de son travail acharné, de son activité, parce que je suis celle qui la voit se priver de beaucoup de choses, se priver de sa santé, même si on veut, pour essayer de mener à bien toutes ses activités, pour essayer de mettre euh, les gens bien, pour essayer de donner la meilleure des qualités, pour euh, pour, vraiment réaliser son rêve. Farida appelle les jeunes femmes à se lancer dans ce qu'elles aiment le plus, de ne pas rester les bras croisés, à toujours à tout attendre. Et la prochaine étape de ces investissements serait d'ouvrir une boutique Farida Collection. Merci Mariam Adé pour ce portrait, chers auditeurs. On vous revient juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. auditeurs, à présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Oui, tout. Hier, dans l'espace santé et bien-être de la rubrique rose, les chroniqueurs se sont intéressés aux vertus du moringa sur les problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu vont nous dire comment le moringa aide à soigner l'anémie. On vous les suivre. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Contigo de playa me más Coucou les filles, bienvenue dans l'espace santé et bien-être de la rubrique rose. Compromis. nous allons continuer à partager avec vous les bienfaits du moringa. Hier, nous avons évoqué les effets du moringa sur le problème cardio le système immunitaire et ses effets détox. Aujourd'hui, nous allons voir comment il aide à soigner l'anémie. La quantité de fer contenue dans le moringa est très élevée. 150 mg ou 100 g de feuilles elle permet ainsi de favoriser la production de globules rouges et ainsi d'augmenter les taux d'hémoglobine dans le sang. Certaines ONG l'ont utilisé avec succès pour lutter contre l'anémie. Il aide aussi à combattre les cancers. Le moringa aide également à élever les taux d'oxygène circulant dans le sang. Cela lui permettrait d'être efficace dans les cas de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme. Il convient toutefois de préciser qu'en ce jour, les études scientifiques sur les humains sont encore insuffisantes pour assurer avec certitude qu'ils soignent effectivement toutes les maladies qu'il est censé prévenir ou guérir. Il faut donc en consommer avec précaution et en parler à votre médecin. La valeur nutritive de ces feuilles, en revanche, a déjà été prouvée scientifiquement. Le moringa aussi permet de réguler le diabète. Le moringa agit de deux manières intéressantes pour euh, prévenir et contrôler le diabète. Il fait baisser la glycémie quand elle est trop élevée il aide à réguler les taux des lipides sanguines, le cholestérol et les triglycérides. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être. On passe donc à Mariam à l'espace cuisine. Les feuilles de moringa, c'est notamment 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 2 fois plus de protéines que les yaourts, trois fois plus de potassium que la banane et trois fois plus de vitamine E que les épinards. Intégrer le moringa à l'alimentation quotidienne, c'est contribuer de manière significative à une meilleure hygiène de vie. Chers amis, il est rare de cuisiner sans huile. Alors, est-ce que vous savez qu'on extrait de l'huile des grains du moringa On extrait une huile de la graine de moringa riche en vitamines et en minéraux, ce qui la rend idéale pour prévenir les carences nutritionnelles. La graine de moringa est également une excellente source d'antioxydants, ce qui peut aider à lutter contre le vieillissement prématuré de nos cellules. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. En outre, la consommation régulière de cette graine permet de fortifier le système immunitaire. Si vous venez de le découvrir, qu'attendez-vous pour l'utiliser L'huile de moringa est riche en vitamines et en minéraux ce qui lui accorde de nombreux bienfaits pour la santé. Elle contient également des acides gras essentiels qui sont bénéfiques pour la peau et les cheveux. Il est également connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Elle peut aider à prévenir ou à réduire l'apparence des rides et des ridules. Enfin, elle aide à protéger contre les effets nocifs du stress oxydatif sur le corps humain. L'huile de moringa est donc un produit naturel très bénéfique pour la santé et le bien-être général. C'est tout pour la rubrique rose. On se dit à la semaine prochaine. Voilà, c'était la rubrique rose avec Samira Rouafi et, et Mariam Adé, tout en espérant que vous avez aimé. Salam à tous, c'est l'heure du loti du jour. Oui, dans nos sociétés et nos cultures, dans un couple, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Aujourd'hui, le loti du jour parle des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Une discussion entre Rekia Arimi, Samira ruafi e Asumana Shina. Matsukiji, Hey! wa alaikum assalam. Subhanallah. Aisha, lafiya kika zo min da kuka? Me ya samu yake? Wallahi tantini na gaji wallahi wanga wagan ya ishe ni a wagan wahala. Wallahi kashe ni dai zai yi. Me nake shirin ji kashe ki? subhanallah Zo, gaya mini. Gaya min da Allah me ya faru? Tanti wasu wanne kuma. ba mai wata biyu ba na zo gida na gaya muku abin da yake yi mini kuka bani hakuri kuka ce in koma wallahi ya ƙara ɗaukar wannan mugayen halayen nashi yana samun kuɗi amma ko abinci ba iya sai ya kamu na gidan nan baya biyan haya kuma yanzu an koro yara daga lakwal saboda ko in nan da ake biya ba su bada ba yanzu ya ki badawa yaran na can zamna gare ni gida wallahi na gaji ban iya wani ban komawa gidan shi <laughs> kai ni hafsin kwatori zo zauna tsaya in ɗauko hijabi na in Allah ya yarda yau sai na gaya mishi abin da yake son ji zo mu tahi kun ga baya manan ina nan zai zo ya iske ni kyale shi assalamu alaikum wa alaikum assalam a tanti ku ne a gidana cikin dare haka ba cikin dare ba ne ina hmm. nan tun da sahe nake jiran ka kai sai yanzu ka zo <laughs> haka ne gaskiya na makaro na zo cikin dare halin ka son ne haka babu ciniki sosai to allah da ya taimaka ɗana na zo ne in maka magana ka zo ka zamna to in ka gane ni a gidan nan don in yi ma magana ne 'yan watanni ka sa yarinyar nan ta dawo gida na zo da kaina cikin wannan gidan naku na sasanta ku da kai da aisa hmm? yanzu kuma abun ba zato ka sake shiga halayyar naka na da haba usman aha aisa ki ki bata min suna unguwa ki bata min suna wajen yan uwanki a'a usman bata bata maka suna ba ai jikinta ma yana gwada halin da take ciki dubi wannan yarinyar usman yanda ta rame ta yi baki ba ci ba sha ha duka kuma wannan abun a bisa kanka yake ni da kaina ina kwashe gudan ini ban ci komi a kasuwa kuma kaɗan nake samu ina sake wadda wasu kaya ne idan na samu riba ita ma za ta samu riba ko usman allah dai ya gafarce ka matakka bata hiye muka wani sauran abu ba kariyarta abincinta da kuma tufafinta da kula da ita usman a bisa kanka yake abinda addinin musulminci ya ce kenan tun ranar da ka ɗauko ta daga gidansu amma abin da kake yi kai halin da kake ɗokawa yanzu gaskiya ka yi hankali Allah ya tambayi ka gobe kiyama subhanallah tanti hausu karki min fatan wannan abin bakin ciki in baka son a muka fatan wannan abin bakin cikin ka sake dan kaɗan kinnan da kake samu da shi ya kamata ka kula da iyalinka ka kula da kasuwancinka ka san da yaran ga gobe in suka girma suka zama wani abu ci gaban ku ne in kuma suka lalace wallahi he ka tauna yatsa tanti ku mini gafara kuna da gaskiya To Usman, ba gare ni ba za ka tambayi gafara, ga matarka ya kamata ka tambayi gafara, tunda ita ce kuke tare da ita. Aisha, da Allah ki min gafara, kar ki bani ni kadai, na sanar na cuta miki, kuma yanzu zan kokari in kula da ke da ma yaranmu. Gaskiya Usman ni na bar yarda da kai, gaskiya na kummace in koma gida, in kuma ka sake mugun halinka kuma. Aisha, na rance ba ba ƙari, kuma ina son ki bani yardar ki. Aisha, zamna cikin ɗakin ki ki kula da yaran ki tunda mijinki ya tambaye ki gafara ki gafarta mishi da fatan dai ya saki halin shi ke ma Allah ya baki hakuri ni zan tahi in bar ku ku sasanta tsakanin ku to tance mun gode Allah dai ya sa albarka Allah ya biya ku mun gode tance Allah ya muku albarka kuma Allah ya muku albarka Voilà, c'était le lentille offert par le desk femme du studio Kalangu. Découvrons à présent la recette culinaire du jour. Difa à l'honneur ce matin, Fanta, nous allons découvrir la recette de Brabusco et la sauce Karasu. Comment préparer cette recette très prise par les Kanouri Madame Bintou Mustafa, femme Kanouri, explique au micro de Gidi Abdraman. biyu hatsi dai za a ɗauka kin san turmi da turmi ake surfa shi in aka surfa shi da turmi a sanya shi a gyara shi rabin hatsin in aka zurta shi ana sa shi a cikin tsare ne idan an sa shi a tsare yi fari ya kwana sai a shanya shi ya bushe shi ma wancan bakin hatsin yana nan an shanya shi ya bushe sai a kama a baka ce su da faifai a gyara su idan aka gyara su sai a ɗauko akwai mashinkin hannu na da dutse wannan na dutse wanda ake goyawa yanzu ma a gurin mutum guda guda akwai su da shi ake nika shi sai a nika a nika ya zama biski in ka gaji dan uwanka ya amsa da haka ake nika shi a zo a gyara shi a hada shi idan haka hada shi sai ka nemi tukunya na laka ne ake yi idan haka dora ya tafasa da in ma in akwai mai suna zuba mai in babu mai suna yin shi haka da ruwa in su tuka shi sai biskin in ya dahu haiki jiki kaɗai yana yin kamshi yana yin kamshi sai a sa mutiya a baje shi a baje shi a baje shi sai yayi kamar kuskus sai a kwashe shi a zuba shi a cikin bukuru shi ma bukuru ma da ice ake yin shi ba ma a kwano bane da ake zubawa a kife da faifai kuma yana da zuba a kasan bukuru ma in kana da man shanunka ka sa man shanunka yayi daɗi ka zo a yi miyan yakuwa in ana miyan yakuwa shi ma yakuwan nan in dan ya ce in bushe sai ne gyara ta za ya tsince ta a fudda ta komai a kama a murje shi in ka gyara ta ka aje ta a kwano ka sa mata ruwan zafi saboda yana da tsamin yakuwa tsamin ya fita ka nemi albasan ka da kanwa dole sai an sa kanwan ana yakuwa Man sauran miya ba a sa kanwa suna cewa yana fudda gu yana fudda wane to mu dai mutane a da dole ne sun sa kanwan nan a cikin miyan yakuwa inda yakuwa ne za ka yi saboda tsamin nashi sai a sa mushi, a ɗauki albasa a yanka a zo a sa a cikin tukunya gyara Da albasan ya dahu ka sa wani kayan yaji wani su tattasai shi ya kuwa ba sai ka sa mishi ba ma wani tumaci ba tumatin in akwai mutanen dama ba su damu da sa wani tumaci ba haka za su yi da tattasan su da yakuwan su da kayan yajin su saka a nemo gujiya a gyara kwalkwan nashi a bakace shi a daka da turmi shi ma a hannu sannan a zo a sa shi a cikin miya ya dafu miyan nan sai an bar shi ya dafu ya dafu shi kadai yana kamshi in suka ga yakuwan ya dafu gujiyan ta dafu sai ki ga yana hudda mai ko ba a saka mai ba man gujiyan ma yana fita a cikin ya kuwa idan an yi shi shin ya kare sannan a zo a fudda an fudda tuwo dama a cikin bukurun nan har wurin maza za a kai shi a cikin bukurukin nan taruwa suke yi a wajen masallaci ko a bakin kofa ko malamin ku ne ko babanka karami ne ko yayan babanka ne dai ko abokin babanka ne can ake kai tuwon gaba ɗaya su yara yaran wanda aka dafa a can za a zauna a ci tuwon tare a ci abinci tare mata ma haɗuwa suke su haɗu su ci yanzu kuma da yake duniya ya zama wani iri babu yanzu ana kuski da ya kuwa wannan da ke gani yana da mahimmanci sosai a wajen bare bare ya zamanto kaman abin al'ada ne idan an ce miki abin al'ada ne tun kaka da kakanni ne suke cin tuwon biskin nan da miyan yakuwa da yanzu idan an gaba barbare guda a wani wuri wani abokin dangin ka zai ce maka sarkin yakuwa ina yakuwa zaka ce mishi babu in an ce suna son ya kuwa kai da kanka babu wani garrama ba wani wahalan da zaka sha ba zai bata maka lokaci ba zaka iya yin yakuwan nan ka ba ma mutum yanzu ana yin shi da wani su shinkafa wani abu ma duka kwaikwayo ne amma da biski wannan shine al'ada shi muka sani Merci Madame Bintou Mustafa d'avoir partagé cette belle recette avec nous. Fanta. tu as promis de nous donner notre recette euh, du monde kanuri. <laughs> La recette que je vais partager avec vous, c'est une da qui mutane une recette qui dan sululu. Dan sululu wanda asalin um, e a Nigeria kenan. Dan abinci wanda garin rogo ba garin rogo irin wani wanda muke jiƙa musha ba a'a niƙaƙƙen rogo ko kuma me ake cewa busasshen rogo ka daka sai ka tankaɗe za ki kwaɓa shi ana yin shi ne kamar yadda ake ɗan wake sai ki kwaɓa shi kamar yadda ke kwaɓa ɗan waken ki amma shi zai fi ɗan wake tauri sai ki mulmula shi ki dafa shi dai kamar yadda ake dafa ɗan wake ki kwashe shi idan ya dafu a cikin ruwa ki aje gefe sai ki zo ki gyara miyar ki ta cin dan sululu ita asalin miyar dan sululu ana yin ta ne da manja amma idan kamar ni ba ki kaunar manja za ki iya nemo manki na gyada manki na gyada sai ki tafasa shi ki yanka tumatir albasa ki daka wani ki da tafarnuwa sai ki soye idan kina son yayi ja tun da dai gaskiya ita miyar dan sululu sha ce kina iya sa ɗan tumatir kwankwanki don ya ba ma miyar kalar ja. sai ki sa ɗanɗanon ki don kun ba a san ɗanɗano kamar ni za ki iya sa ɗan sukari kaɗan ko yar zumuwa ki soye ki soye idan suka soyu sai ki tarfa ɗan ruwa ki rufe miyar ki kayan miyan suka yi laushi sai ki ɗauko ɗan sululin wanda kin tarare ruwan ki zuba a ciki ki rufe sai ki sa a cikin plate in kin shi salamatu ki baiwa mai gida da yara su ci su ta zauga miki san ki sa gishiri a cici ko ba wa sa shi <laughs> gishiri ana ce a sa gishiri ko dandano <laughs> voilà merci beaucoup chers auditeurs j'espère que vous avez pris note Et nous allons passer à la culture linguistique avec Alamine Rawachar. Bonjour Alamine. Bonjour. Et le mot du jour, c'est la procrastination. Procrastination, euh, كما آه، اما كوست اما لنا اولا اثنين بروكريستيناسيون موسى تفير تتوجد يعني زمزلين رطنا غطوت صغلي توفات المثال آه، شيلات ناس مردة أدلا غشغلية ناس فراقة غتا قم ردي جي سرنا أديا هرتوفات ما دي هرتوفاتين تساقلا غالواق في المانك سيقا وين زمزلي وين أرتي موس ورنولا السنتاس آه، فلقنا لقنا وقنا زمزلين نرى تسوغو لقي توفات ما دي توفاتين imosar dagaratan wensughulnenaytiden laqam dagadi teferta ardo filtadunakkal filadagrin alma aytiden almalan sughilnarat yalwa asuri hordas yaqal ita kasa shilammas dagawidan imosartan tada addita wen sawidan aqshudna alwa daga shaghlnet إن مثلا إنك أي موصلنا ويدن إتا إتا فسرنا ولن فرانسيس استماجة لغا ويقلن الفن وانتمارق أدن لغا لغا صونة يعني أول نزا الترجمة استماجق أن أتنزم مزلة أردنا يتوفات أصدو تسا توفات أردنا يتوفاتين تو المثال نرى وين دا زم مزلين نرى تنتستان رات فرانسيس بروكراستيناسيون دا غادي أسي هو أسي هورد دي تتويننا اوات اوات سوكا اوات سوكا زم زلين نرت تنغ توفات مري توفاتين ده غادي نرت وين الى فلق قدم المونت فلقنا ويقنا الشغل نت فلقنا ويقنا ناس مش ناس ازلوات سو غلارة دي أدي مجي داس زلو دي كي ورتفرق توتغا يرتاقلو فلق شغلية مري تورينا مري أسيق دارتين أراك زيق دلني جيني دغادي أرتنا وا أسيو هور داسنن سنن كاد زمزلين نرات merci beaucoup à la mine Merci beaucoup Alamine pour euh, ces éclaircissements en langue tamashek. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages vocaux des auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. da nake lissafin studio kalangu musamman shirye-shiryen da ta mai da hankali akan matasa da kuma karkara da kuma matasa masu ƙananan sana'o'i bisbillahi su ne suke ƙayatar da ni kuma babban abin da nake so studio kalangu ya mai da hankali a kai buɗe musamman gurup na mu masu kira da saurare domin ƙara haɓaka da kuma ƙara sanin abubuwan da studio kalangu take yi da kuma mai da hankali akan kananan hukumomi musamman komin komin ya kamata nan ma studio kalangu ta kara ba sai cikin birane ba muna ma studio kalangu fatan alheri wannan shekara takwas da ta cika to muna fatan za ta kara wasu shekaru takwas takwas takwas gida takwas ko gida dubu takwas da fatan dai kowa yana cikin ƙoshin lahiya muna ma studio kalangu fatan alheri allah ya kara ɗaukaka studio kalangu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Eh, da farko dai suna na Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi dozman Taxi Moto Tribune Official. Shugaba ne na kungiyar masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram to alhamdulillah gaskiya ba abin da zan ce da studio kalangu musamman ma irin rawar ataka da take nunawa take jajircewa danganta da al'umma na birni da na karkara bireman ba abin da zan ce sai dai godiya sai dai mu kara mata karfin gwiwa dangance da irin damammakin da take bada kuma tana ka gudun mota na ci gaba al'umma baki daya musamman ma na fannin bangaren mata da ake wayar musu da hankali da zamanto sun dogara da kansu saboda sana'a sa'a rishin sana'a rishin sa'a mare na kaɗan aka ce ɓarawo ne idan ka tashi ba ka rena sana'a kaɗan ko mun kankanta ta kayi ta don ka dogara da kanka gaskiya irin wannan eh, abubuwan dukkan da kuke badawa gaskiya ba abin da zan mu ce da ku sai godiya saboda kuna nuna rawar ataka a zo a gani eh, gaskiya dai ba abin da zan mu ce sai godiya musamman ma wannan shekara da ta huce gaskiya ba abin da zan mu ce sai godiya kun yi rawa a zo a gani kuma a nawa tunani a nawa ra'ayi kuma dangantar da wannan sabuwar shekara shekarar 2024 a nawa shawara na tunani ya kamata a ce studio kalangu kun buɗe wani kulub wanda zai zamanto 'yan uwa da amina arziki na birnin da karkara don su dinga tofa albarkatun ba su yi su ko kuma suna ba da bayanin su direct tsakanin ku da ina gaida eh, alkasim baba liman jihar agaras wanda president ne masu kira sauran radio na afirka ina gaida mamman sani bigman ina gaida kabiru sula usman ina gaida malam habu kwalliya ina gaida hamisu mai dan kuka ina gaida isufu madattai sanusi madattai da dukkan mambobinmu maza da mata kulab da fara na jihar da magaram lallai kalangu mu bamu da wata matsala saboda mu kalangu kullum mu sauraron ta kuma mu abin da an muhimmanci gare mu labarin da ta kai da kowane harshe kaga akwai haɗa kenan ba ka je harshen zabarmanci ko na hillanci ko na ko na hausa suna yin zabarmanci suna turanci kuma duk labarin da sun ka suna maimaita su ƙara da ƙaro kuma bisa harkar sport na ba su wasa kana samun sakamakon balo gare su baka same su ga radio Nijar kaga wata ƙaruwa ta garin mu to lalle shirin da ka burge ni gudana zuwa biyu bisa ga al'amuran ta kai nan nan bisa ga radio tambara muna jin daɗi tana ba da labaru saboda wasu labaru wanda ma ba mu san da su ba kalanku tana ba da su kuma muna allah allah lokaci shi mu ji labarun da da take yi kuma muna amfani da labarun sosai da sosai sai kuma bisa ga shiri kuma guda wani ta kai na aje fada wannan kuma shi ya haiburge mu saboda muna da matsayi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. D'aujourd'hui, vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même, Fanta Chamsou. À la technique, c'était Mustapha Ayouba et la grande dame Adama Donwaki, notre chef d'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.